municipalité bu Anne bel nak nag dina amal ab cérémonie de subvention bu tollu ci fuk ak juróomi million ci suñu koppar jébbal ko djuma yi jàkk yi diine yi ak église yi xew-xew bi la nak mi ngi amé ci salle de conférence bu Amadou Dia Altini bi ci xeyma nak mu tollu ci fanweer ak ben djuma yi ñu jébbal fukki million yenen juróom yi ñu jagleel ko jàngu bi Lima ma moy sante euh, sant bu baax a tay tey suñu kilifa yi fi ci occasion nañu am vraiment ci cérémonie bu soft bu sobre bi muy lo xamantene lu mënul ñàkk la pour sante len gëlëm len ci li nga xam moy collaboration bi mairie bi am ak association de euh, association religieuse bi ngeen doon bu une association religieuse musulmane comme chrétienne je euh, remercier nag ki nga au sein du conseil municipal mon meilleur commission bi nga mon mon les notabilités religieuses et coutumières donc dit Moustapha Mbodj Moustapha Mbodj le président commission bi et conseil municipal de femmes nu parce que si vous s'est tey euh, muy loo xamante ne nouveauté la à chaque année ñu am benn subvention bu ñuy jëmale vers les associations c'est parce que d'abord mon naa c'est un avis participatif c'est un travail d'équipe travail boo xamante ne dafa jugee à la base mooy ci seeni association yi ngeen émettre ñu ay idées ñu dégg ko ba ñuy dem orientation budgétaire ñu prévoir ko si bu avez euh, orientation budgétaire Moustapha Mbouy, est yor commission donc ku ci nekk da ngay ce cahier de doléances, vous nga que vous avez yor sport vous avez ak cahier de doléances. Vous nga que vous avez yor santé vous ak un cahier de doléances. c'est pour vous dire que rien n'est fait au hasard L'EP, dañ ko organiser structuré et Mbouy a vraiment fait un travail remarquable Je vous félicite. dama féliciter mais je féliciter aussi ki nga de président président commission sociale parce que nous sommes une intercommission dafa am secteur yo plusieurs commissions donc je me féliciter Faye pour le travail je ñak féliciter aussi les adjoints au maire yi nga xamné assurer la supervision de ces commissions Oui, Matar Diaw qui est la première adjoint aussi aussi aussi le troisième adjoint au maire donc c'est pour vous dire que dans le conseil municipal dafa a une responsabilités responsabilité, commission bu ci daf mais nous, au sein du bureau municipal donc le maire et les adjoints au maire nous avons une coordination qu'on est en train d'assurer donc lolo indi am solo euh, inscrire mais surtout c'est ça l'avantage

mu chez ci leneen lu njiitu commune bi de Babacar Ardou, ardu campagne de vaccination yi ñu tàmbali di ñaax kilifa diine yi ak aada yi Un exemple comme nous mu fait. defee. beneen bi dans un contexte très particulier muy Nous avons gis collaboration bi nga xam ba mu ba de culte nous ñi suivre disposition yi nga nous ne jël au sein de ces lieux de culte que ce soit à l'église comme dans les mosquées donc ñu leen ci félicité di leen ci di sensibilisation parce que sentir nañ ko ci ci ci khutba yi lolu aussi bokk na ci lo xamante ku ci nek ci nang ko mënee rek sportif yi naka ko dama na ma koy defee mais le religieux aussi ci la ko yalla may moy sensibilisation ak ñaan bi di ñaan yalla nak yalla ci yalla jëleel yalla defal ñuy sutura ba mun naa ne en Afrique je pense que on a eu cette chance bokk nañ ci pays yi nga xamné ñoo njëkk jot ci vaccin et ça, je pense que Coco a le droit au leadership quand même de notre président de la République. Et ça, c'est extrêmement important. Il li que ci bëggoon wax lenn la mooy que mënuñu profiter ci jotaay bu mel pour waxaale tuuti lu jëm ci wàllu vaccin parce que ñu bare bëgg nañu vacciner wu. mais boo leen gisee ci premier lot bi exi dañ ko exclusivement au personnel médical technique Nous ñoo gën a depuis plus de 16 mois Nous ñoo ci nekk di feebar donc euh, vraiment nous leen di faj ñu dans un deuxième temps nous li ñuy demander avons ku ci plateforme bi vaccin 1.7, inscrire li ci organisation au niveau de nos structures yi nga parce qu'au niveau de Anne, nous avons quatre centres de santé Nous avons une structure de santé Nous avons un mariste centre de santé nous avons centre de santé anne sur Mer un poste santé montagne un village gis ngeen que avec la sensibilisation man pour rassurer quand même les populations leur faire comprendre que le vaccin c'est ce qu'il faut faire solution que le vaccin il n'y a aucun risque man vacciné ou non, au un effet secondaire donc je pense qu'aujourd'hui, vous faites que nous cobaye j'ai été le cobaye de Anne. jaral parce que donc c'est pour vous dire que c'est ce qu'il faut faire maintenant dans trois semaines war naa delluwaat pour jël ko parce que vaccin bi c'est en deux doses Nous, nañu organiser wu de telle sorte que bés bu vaccin yi ñëwee en tout cas nous allons travailler avec le district sanitaire travailler avec les médecins pour que en tout cas selon les priorités wax la deuxième étape mooy ñi nga ils sont 60 ans plus ñi nga ils sont diabétiques am tendus, et autres c'est à préciser boo leen koy def ci forme et surtout nous allons ñu assurer du bon déroulement donc di parce que le ministre rassuré nous que au plus tard d'ici la fin de l'année avant le 31 décembre 2021 que tous les sénégalais danañu vaccinés. donc voilà globalement je nga euh, en tout cas remercier effectivement la collaboration parce que je pense que collaboration est une mais nous renforçons que une indi